amis sportifs TV Jeff, ngeen jëf dellusiwaat leen fii ci seen chaîne Sénégal TV ñu leen di amal chronique mondiale bi tey nag muy dernière chronique bi nga xam ne moom la leen amal dégleeloon ko coupe du monde bi nga xam mi ngi commencé ci Russie depuis le 14 juin le 15 juillet qui voit la victoire finale de la France, la France championne du monde pour la deuxième fois Moi, en tout cas fête bu baax bu neex français du coupe du monde bu riche en enseignement du coupe du monde boo xam Bintimana Barina, biñ ci première sur le plan organisation sur le plan organisation vraiment chapeau chapeau aux Russes qui ont vraiment tenu à relever le défi de l'organisation, le défi de la sécurité surtout. Et là, vraiment gis nañ ne mondial bi bi commencé yépp ci stade yépp stade yépp fess na la sécurité amna ambiance le spectacle et sur le plan jeu sur le plan foot aussi vraiment le monde du football s'est régalé comment muy football gis nañ ko aussi football bi ñu ngi ce que l'on appelle l'engagement l'engagement physique l'engagement tactique sur le plan stratégie et sur le plan technique vraiment il y a eu beaucoup de révélations entraîneurs yu si sont des stratèges sont des tacticiens entraîneurs yu vraiment un match de football un entraîneur est capable de gagner un match de football jury aussi ñu si niveau engagement physique c'est niveau technique et le niveau tactique Nous am révélation sur le plan joueur sur le plan entraîneur Mais si en tout cas sur le plan euh, jeu moderne on vraiment la coupe du monde c'est quelque chose qui euh, nous boo improvisé. coupe du monde 21e édition bi Russie France coupe France gagné champion du monde que champion du monde pour la deuxième fois après 98 Binko avec la génération de de de Zidane de Laurent Blanc de Deschamps Mitei n'est entraîneur Mais un coup de chapeau pour Didier Deschamps qui mérite vraiment euh, des hommages parce que Deschamps beaucoup dans le panthéon des grands entraîneurs des grands sélectionneurs de qui dit Mario Zagallo du Brésil bi a xamné la coupe du monde en 1958 la coupe du monde en 1962 en tant que joueur la coupe du monde en tant qu'entraîneur en 2002 qui euh, euh, en 2002 oui effectivement Qui dit Frank Beckenbauer aussi qui a bokk na ci entraîneur yi nga xamné dañ ko gagné en tant que joueur gagné ko en tant qu'entraîneur entraîneur gagné ko en tant que joueur en 1974, gagné aussi en tant qu'entraîneur en 1990 en Italie. Nous nekkoon ñaar cette prouesse là et nous avons Deschamps rejoindre na gagné coupe du monde en tant que joueur en 1998 gagné quoi en tant qu'entraîneur en 2018 un chiffre 8 en tout cas qui porte chance à l'équipe de France une équipe bu jeune équipe bu talent qui a en tout cas contre si depuis le début depuis deux mois le groupe est ensemble nu liggéey depuis des années sax parce que depuis 2012 bi Deschamps jëlé équipe nationale de France ba remplacé euh, Laurent Blanc je crois en tout cas mi fait def ben travail malgré les critiques Il a essuyé ñëpp doon ko ci le meilleur joueur français actuellement muy euh, Karim Benzema bu bu Real de Madrid be entêtement des fois dina ko jox ay solution dana ko jox euh, en tout cas ndam parce que dana ko jox jom parce que mu jappé fi mu japp nit ñi ne la mu de lolu li la comme on dit dans le football un entraîneur un bon entraîneur il meurt avec ses idées c'est ce que Deschamps a fait il a tenté son coup, il a, réussi, il a su compter sur des jeunes talents. Euh, il y a, un an, je vous nommer Mbappé, il y a 18 mois, Mbappé, on le connaissait à, à, Monaco. di wax ne joueur bi amna avenir mais xamuñu dans un an Mbappé mi le meilleur jeune joueur du mondial gagné coupe du monde avec la France une star du Paris de Paris Saint-Germain. D'autres jeunes aussi comme Imtuti, que Dao l'a commencé à être titulaire à Barcelone, l'a connu beaucoup de redécouvrir. Maintenant, un engagement physique, mon ak Varane, di ben père bo xamni euh, vraiment au départ kenn yaakaaroon ne moom nous ñoom ñooy ñoom ñaar centrale bu France finalement ils ont euh, Deschamps a décidé de de de compter sur cette euh, paire défensive là di ñaari joueurs yo xamni dañuy football ci ñaari club euh, rival Real de Madrid ak Barcelone. ñu def coupe du monde bu baax surtout la défense la défense euh, la défense française il faut tirer un chapeau à cette défense là comme euh, ni mako dit, l'axe central bi Varane ak Umtiti ñu def ay ay ay gros match de marquer même des buts décisifs parce que même la défense a marqué 4 buts, pratiquement 3 à 4 buts dans ce mondial-là. Je rappelle ce but de Benjamin Pavard Pavard, le joueur de Sugar, qui a fait un très bon mondial. Moom itam Ken xaar au départ mom Lucas Hernandez pour Atlético de Madrid Kenya yaakaarutoon retourne un titulaire. Il a fallu que am blessé muy Sidibé et Bernard Mendy les deux arrières latéraux pour que des gens puissent compter sur ces deux jeunes-là Ils ont ne d'ici un an Comme Lucas Hernandez à Atletico. même cette année au départ il n'était pas du tout favori et c'est après euh, la blessure aussi de son de son titulaire qu'il est devenu hum, vraiment un, vrai joueur titulaire du club mu aussi euh, équipe de France mu blessure euh, Sidibé pour moi, itam ak Bernard Mendy pour moment, le titulaire wane Bopam, il a fait vraiment une un très bon mondial. De saluer aussi le milieu de terrain de la France Matuidi Pogba Ngolo Kante, ñu Zozo, Fekir des joueurs qui ont fait aussi de gros matchs. même si fait fait la France On a flotté première match mais c'est une équipe qui a su monter en puissance pendant le mondial. Depuis cette marche contre Argentine, huitième de finale, un gros match avec euh, un percutant euh, euh, Kylian Mbappé, Mbappé tout triant à l'attaque, au front de l'attaque, Griezmann qui ne tremble pas, vraiment c'est avec Giroud, même s'il n'a pas marqué en tant qu'attaquant, il a beaucoup joué sur, sur, les balles aériennes, sur les deux aériens. Il a beaucoup posé sur la défense des, adversaires qui ont permis à des joueurs comme Mbappé, des joueurs comme Griezmann à avoir du champ pour pouvoir marquer ou, ou faire marquer. une équipe française, on ne comptait pas beaucoup plus sur comme en tant que en tant que vraiment favori potentiel, mais ils ont su gérer ça au fur et à mesure euh, ba agsi gagné scène finale surtout cette demi-finale je crois que les deux matchs de référence de la France c'est le match contre l'Argentine et le match contre la Belgique surtout la demi-finale contre la Belgique où par exemple euh, pendant lequel Deschamps a montré euh, vraiment un vrai savoir-faire tactique pour contrer les les Belges et daanaka bi éliminer éliminé équipe yu Brésil l'Espagne, le équipe Espagne équipe Portugal équipe la Allemagne Belgique moo fi fait benn favori bo xam ni ñu bari konté won nañ ci mom né jouer finale bi France éliminé leen bi ñu éliminé aussi avec un savoir-faire tactique extraordinaire bu déjà mettre en place pour pouvoir contrer les assauts belges Belgique nga xamné sur le plan individualité sur le plan collectif sur le plan talent vraiment c'est l'équipe euh, bi nga xamné en place si si mondial bi une déception mais quand même ils se sont contentés d'une d'une troisième place bo ni vraiment vraiment euh, en tout cas euh, récompensé c'est un bon parcours si mondial russe bi banen bi moy la Croatie budget final Croatie avait vraiment des arguments solides pour gagner cette finale là xëy na ñoom mën nañoo wax qui sax a moins leen ba ni ñu français yépp sax sonalee ko d'ailleurs d'ailleurs les 20 premières minutes les Croates ont ñoom ñoo moomee match bi dominer français yi xooj leen contre ballon bi à un moment en premier mi-temps on avait 61 contre 39 de possession de balle pour les Croates ça veut dire que les Croates dañu ñëwoon vraiment pour en tout cas gagner gagner match bi so xolé le France ici à part les les que but c'est sur balle arrêtée c'est ou bien sur des exploits individuels si la France marquait, peut-être je ne dirais pas l'expérience mais la fraîcheur physique des Français en tout cas a pris le dessus sur les Croates Dans les trois derniers matchs nous avons jouer prolongation euh, trois fois. 120 minutes mais trois fois 30 minutes de plus que la France comme nous avons un match de plus que la France 90 minutes de xam plus que la France oui, euh, en tout cas déploiement effort physique de xam ne nii euh, en tout cas. Euh, match bi xaw porter préjudice match bi carence physique même s'ils ont montré de bonnes choses une réelle envie mais à un moment donné match de yàqu France euh, jekku na am ay occasion euh, exploiter la France n'était pas la meilleure équipe d'accord certes mais c'est l'équipe là, c'était l'équipe la plus réaliste quand elle devait marquer ils ont ils ont marqué malgré certaines certaines certaines erreurs mais en tout cas ils ont préservé cet avantage là gagner gagner finale n'est que champion du monde parce qu'une finale de coupe du monde ça n'arrive pas tous les jours c'est une finale de coupe du monde on la joue pas tous les jours on la joue pas toutes les années c'est pourquoi la France a profité de cette euh, de cette euh, Coupe du Monde là, de cette finale là, pour vraiment saisir l'occasion de donner à la France une deuxième étoile. Nous saluons aussi la prestation comme elle euh, Pogba, qui a vraiment fait de gros matchs depuis le euh, quart de finale bi euh, maintenant depuis huitième de finale bi en tout cas il fait partie des meilleurs joueurs euh, français même Kylian Mbappé même Antoine Griezmann à un moment donné Griezmann, il a un peu, euh, il a un peu sombré, même s'il a réussi à marquer 4 buts, dont 3 sur penalty. En tout cas, il est très serein euh, dans, cette Coupe du Monde-là. Mais quand même, il faut saluer les grosses prestations de, Pogba, les grosses prestations de Kante, de, de Kylian Mbappé, en tout cas de la défense surtout surtout pour moi je crois que c'est la défense euh, française qui a qui, qui, a beaucoup contribué à la réussite euh, des Bleus euh, une défense euh, vraiment impeccable qui n'a pas tremblé c'est c'est les mêmes les, les mêmes les mêmes défenseurs, la même défense qui a pratiquement joué tout le mondial, qui ont tenu bon en marquant avec, en marquant des buts également, ce qui est extraordinaire, ce qui parfois faire une différence faire la différence dans une compétition de ce genre. Il faut saluer aussi la prestation de Igor Loris, le capitaine gardien de but, le gardien de Tottenham, même si ce fait il a fait une défense française très solide, bien en place, pour bien vraiment si, euh, en tout cas, trophée mondial bien français yi TV qui di durant tout le long de la coupe du monde Je euh, leen jaajëfal bu baax remercier bu attention merci beaucoup Continuez à nous suivre après la coupe du monde Nous avons une émission yu nous xaar une chronique qui continue, continuer même si ce sera hebdomadaire Nous koy continuer à nous ko sur le sport sur le football sur le sport en général di leen jaajëfal ba